le tout est parti d'un mercredi, je crois, le 22-21 euh, avril à 18h. J'étais couché ici. Euh, j'ai senti à moi euh, des frissons suivis de, de sueur. Moi, d'a priori, j'avais même pensé que c'était un palu. le lendemain, je suis allé travailler. J'ai fait, après mon travail, j'ai fait un test de palu qui, qui est revenu négatif. À partir de ce moment, euh, j'ai avisé le, médecin-chef et je lui ai dit que vraiment je ne me sens pas bien. Quoi. Bon, il m'a dit donc, j'ai dit que j'ai fait le TDR qui est devenu négatif. Après, à ce moment, elle m'a dit que comme nous sommes en période de pandémie, mieux vaut faire le test de Covid. Je dit il n'y a pas de problème. Ainsi, euh, c'était le, jeudi, vendredi, je l'ai fait. Samedi, dimanche, les résultats sont sortis positifs. J'étais un peu surpris de ça parce que, comme vous l'avez si bien dit, à Tamba, il n'y avait pas encore de, de, cas de Covid dans la, dans la, dans la commune. Et moi, euh, depuis que nous avions fait le séminaire de mise à niveau à l'hôpital, je, je ne me suis jamais départi, en tout cas, des méthodes barrières. C'est les masques, c'est la solution hydroalcoolique. J'évitais encore tous les attroupements. Mais je m'en suis remis à Dieu. Je dis donc, euh, c'est le destin et je vais faire face à ça. Les camarades, j'avoue qu'il n'y a pas eu de, stigmatisation ni au niveau des collègues, encore moins aussi au niveau de, la population. Euh, c'est vrai, moi j'ai été interné à l'hôpital, au centre de traitement, pendant 15 jours. La famille était en confinement dans un hôtel de la place. Euh, les épouses, mes frères, quand, en tout cas quand je leur ai dit la nouvelle, bon, elles étaient quand même euh, sous le coup de l'émotion vraiment elles étaient touchées. Mais après, je leur ai fait comprendre que il faut en, tant que musulman, il faut s'en remettre à, Dieu et que si, quand tu es malade, euh, tu, tu vas te soigner. Maintenant, comme ce n'est que le début, on peut avoir la chance Vraiment, je peux avoir la chance de m'en sortir. Et Dieu m'a accordé cette, euh, cette, cette, chance-là. Moi, mes cas contacts euh, ont été recensés à 107 cas contacts. Et, et, Dieu merci, aucun cas contact, aucun de mes cas contacts n'a été positif. Tout le monde a été négatif après deux contrôles. L'explication à ça, c'est que les méthodes barrières, vraiment, comme je l'ai dit, Vraiment, je j'ai pas badiné avec ça, je ne badine pas avec ça. C'est ma réaction. De... xana jaxlé won rek ak titangé ak mbettel waaw loolu mo nekkoon sama réaction bi ñu ko bi ñu ko annoncé dal aw won problème guen parce que problème buñ ko jour buñ ko yégué rek jour bobu su jour bobu même lañu yobbu sama borom kër hôpital ñun tam presque ñun fi 2 jours lañu ki parce que 2 jours yooyu tam dañoo presque quarantaine noonu fii parce que deux jours yi ñu def fii après ñun génnuñu kenn ñëwu fii waaw ci kër gi la ñu nekkoon après deux jours yooyu troisième jour bi si la ñu yóbbu hôtel fa la ñu nekkoon ba 14 jours yi mat. vraiment duñu duñu egg na si kenn kenn du ñëw fii tamit mais quand même ñaa ngi ñu ngi nemmeeku ñu ngi ñuy woo téléphone jour bi ñu ñëw si ñibbisee aussi fii kër gi dafa fees del waaw nit ñu ñëw nañu accueillir nañu normalement. foog ñu sóoraale ni feebar bi am na waaw.

Il faudrait mettre les masques à tout, à tout moment. Il faudrait se laver les, les, mains euh, avec, avec de l'eau et du savon ou la solution hydroalcoolique. Éviter autant que possible les regroupements. Ça, c'est un message que je lance aux populations. Et qu'elles sachent aussi que le Covid est réel. Ce n'est pas une invention, mais c'est bien et bien une maladie. Certes, qui peut s'apparenter peut-être à un palu ou à une grippe sévère, mais ça existe bel et bien. Des échos me parviennent par-ci, par-là, que certains sont stigmatisés. Un individu qui est guéri, en tout cas de, Covid, c'est comme celui qui était un paludéen et qui est guéri de son palu. Mais s'il en est guéri, il est guéri qu'on cesse les stigmatisations. Mieux vaut en tout cas appliquer les méthodes barrières que de vouloir stigmatiser ceux qui en sont atteints. Oui, parce que euh, sinon, nul ne sera à l'abri.